Sénégal, bonjour. Au menu de l'actualité de Tribune quotidienne, un éditorial en tout cas. L'interrogation Kourbaïfal et Moldebouride de la rédaction de la rédaction de Deméga, à savoir Débéga, et eh bien, Deméga, tête de Turc, tête de Turc du CNRA. En tout cas, retenons tout simplement et tout dans ce qu'il de relever dans l'éditorial, dans l'éditorial en question signé. et eh bien, signé les rédactions, et eh bien, les rédactions de médias à savoir, nous pensions en avoir terminé avec les lettres de réprobation du Conseil national de régulation de l'audiovisuel. Grande, et eh bien, grande a été notre surprise de recevoir encore et eh bien encore des courriers du CNRA. Alors, qu'a fait, et eh bien, qu'a fait le groupe des médias Interroge les rédactions du, du groupe dans un édito. En tout cas, le quotidien, la tribune, n'a jamais au grand jamais versé dans la laudation journalistique et le respect et le respect de l'équilibre dans le traitement de l'information y est une réalité. En réalité des réalités, sa dernière une consacrée audio Maki Amadouba avec comme titre Maki dépêche Amadouba pour charmer les jeunes et en appel à la une Moussa Baldé. Moussa Baldé rassure les députés, au vu de ce qui précède, doit-on assimiler une information vraie sur une sortie politique d'un leader de l'opposition futile, celui de Gumsebop comme relevant de la propagande Si oui, et eh bien si oui, alors, et eh bien alors tous les journaux, et eh bien tous les journaux ayant titré sur un DG grand mobilisateur devant l'éternel de Moto Jakarta pour accueillir, et bien pour accueillir le président sortant et lui éviter une soncorisation devait recevoir, et bien recevoir la lettre d'observation adressée à des médias aussi de toutes les chaînes de télévision télévision privée du Sénégal, la CNTV, et eh bien la TV reste la seule à avoir invité dans toutes, et eh bien dans toutes ses émissions de grande audience les ténors, et eh bien les ténors de la coalition au pouvoir. Voilà ce qu'on peut lire, et bien voilà ce qu'on peut lire en guise de piqûre de rappel dans l'édito de la rédaction du groupe des à lire dans Tribune quotidien ce matin. En tout cas, de Seine Jotai à 90 minutes chrono, en passant par scène Show et toute, et bien toute la vérité, tous les membres, et bien tous les membres du gouvernement et les ténors de l'opposition ayant bénéficié de temps d'antenne, sans bourse délié. Jamais le grand, jamais le promoteur du groupe des n'a été l'invité, et eh ben n'a été l'invité de cette tribune. D'après la rédaction du groupe des dans un édito à lire, et eh à lire dans Tribune quotidien ce matin. Ce matin, il convenait de retenir également le titre du journal du groupe des à savoir nous accusant, et eh bien nous accusant de propagande électorale. Le CNRA projette encore, et bien encore de fermer, et bien de fermer Zik FM et CTV. Alors, méthode cavalière ou pas. En attendant, restons, et eh bien, restons avec Tribune Quotidienne qui nous informe du programme de gouvernance de Gumpsobob. Et là, c'est le candidat à la présidentielle de 2024, comprenez, Gay Gaydani, qui apparemment dérange, et eh bien, dérange. Plus d'un s'inscrit désormais dans une dynamique de Bogobré, Benye En tout cas, Bougan entame, eh bien, entame des tournées et open press. Informe, eh informe Tribune ce matin. Ou le Borg semble tenter de dire. Que dire d'autre, et bien, que dire d'autre autour, et bien, autour de l'actualité de l'heure. Sinon, et bien, sinon ce que nous livre, eh bien, sinon ce que nous livre l'As quotidien ce matin. Ce matin, le journal, en tout cas, de retenir et faire retenir malaise et même malaise et mal-être, mal-être dans les collectivités territoriales. L'antidote, et eh bien l'antidote, pour ne pas dire la solution chirurgicale, voire monumentale et même cardinale du fiscaliste Cheikh Ndiaye. En tout cas, et eh bien en tout cas, l'inspecteur du Trésor Cheikh Ndiaye, coordonnateur du Trésor spécialiste des finances locales, de considérer à plus d'un titre dans l'As quotidien que l'État, et eh bien l'État doit réorganiser, et bien réorganiser la fiscalité de manière à pouvoir doter les collectivités territoriales de plus de ressources aussi. Le Sénégal, eh le Sénégal dispose d'une bonne, eh d'une bonne stratégie d'endettement et de gestion de la dette. Eh bien, a tenu à rappeler Sawai, l'inspecteur du Trésor, Cheng Ndiaye, coordonnateur du Trésor et spécialiste, eh spécialiste des finances locales, actualité nationale avec, eh avec l'As quotidien qui souligne également l'autre point important signé Cheikh Ndiaye, à savoir Amadouba. et bien, Amadouba nous rassure, il est en mesure de continuer, eh bien, de continuer les grands chantier enclenché, et eh bien enclenché par Macky Sall. Macky Sall qui aura probablement fort à faire avec Anta Babacar Ngom. Si on en croit toujours l'As quotidien ce matin, le journal, et eh bien le journal de parler de lutte, et eh bien de lutte contre les violences basées sur le genre avant de nous renseigner que Ndeketeyo, Ndeketeyo, celle qui s'inscrit désormais dans une dynamique de croisade contre les violences basées sur le genre, c'est Anta Babacar Ngom, c'est Anta Babacar Ngom et c'est Anta Babacar Ngom. En tout cas, une urgence sociétale selon Anta Babakar Ngom, informe l'As quotidien ce matin. Ce matin, ce matin, il y a Walfotile qui parle de la candidature de Bassirou Diomaye Faye. Pourquoi faire Eh bien, pour nous dire qu'en réalité des réalités, Sonko, Ousmane Sonko, comprenez Pros ou la porte du Bourroc, déroute ses alliés. Information à prendre saillirement ou bâtiment. En tout cas, enquête quotidienne en illustration de son titre ce matin affiche, eh bien, affiche Koroche, Bassirou Diomaye Faye et Enyam, Ousmane Sonko. Bon, PASTEF et présidentiel 2024, le temps, eh bien, le temps des manœuvres c'est le titre, eh c'est le titre de Enquête quotidien ce matin. Ce matin, le témoin quotidien, et eh bien, le témoin quotidien de révéler Tassaro, et eh Tassaro, dans le Beno est là, et là, et là. Retenons en tout cas, retenons en tout cas ce qu'il allait de retenir, à savoir Boun Abdallah John Amadouba, c'est la guerre. Drôle de guerre ou guerre totale. et bien, le témoin quotidien, le témoin quotidien d'informer face, et bien, face au débauchage de cette délégué, par l'actuel, et bien, par l'actuel Premier ministre, l'ancien PM riposte au vitriol. C'est la guerre totale, et bien, c'est la guerre totale entre les deux hommes, Expliquent clairement et nettement le témoin quotidien ce matin. L'autre journal, et eh bien l'autre journal qui nous livre un qui fin, et eh bien un qui et rare final entre Boun Abdallah Dion et Ba... C'est le quotidien, le quotidien. Le journal, en tout cas, dédié présidentiel 2024. Amadouba Boun Abdallah Dion, non, non d'une bataille. En tout cas, cinq délégués régionaux de Dion 2024 débauchés par le pouvoir informe, et eh bien informe le quotidien, le quotidien. Ainsi, la réaction au vitriol, la réaction au vitriol de l'ex-PM a été sans appel. Boun Abdallah John a d'après le quotidien, le quotidien martelé, le candidat, et eh bien le candidat de Beno, et eh bien de Beno cherche vainement, et eh bien vainement à acheter nos délégués. Toui. Bon, toujours au chapitre de Toui, Toui, Toui. Et des coups de Kouroubaïfa, des coups de Mbolde Bouride, l'info quotidien, l'info quotidien de révéler annonce, et bien annonce de débauchage de ces délégués régionaux. John, comprenez, Boun Abdallah John en gain de et non en 4. en gain de déboli, et bien déboli totalement. Pour ne pas dire complètement, voire carrément, et bien carrément Amadouba et Benobok Yakar. Donc, Amadouba et Benobok Yakar. Voilà en tout cas ce que semble dire. et eh bien, semble dire Boun Abdallah John, si on en croit l'info quotidien ce matin. Ce matin, le quotidien Yor Yor, le quotidien Yor Yor, sans contour ni détour de révéler accusation d'achat de conscience des délégués de John 2024. Le divorce, et eh bien, le divorce entre Boun Abdallah John et Macky définitivement acté. Car cela détient source en source à de nous révéler Benobok Yakar écume, eh bien, écume les écuries d'Ali de Mambo Igao et de Boune Abdallah Dior pour leur arracher, leur arracher, tour à tous leurs délégués tous les détails, mais ben, tous les détails alliés dans Source A. Restons avec le journal, restons avec le journal qui nous renseigne que Sénégal, eh bien Sénégal amnendam au plan international. De quoi s'agit-il, Wai Eh bien, du réseau, du réseau des organisateurs électoraux francophones avec à la clé Mundiaï Sissé de l'ONG 3D, élu président. Wai, Tatulen Lolo, En tout cas, Sawai Aladji Mundiaï Sissé de l'ONG 3D, élu président du réseau des observateurs électoraux francophones, comme nous l'apprend source A, le journal de rappeler, eh le journal de rappeler, le fait a eu lieu à Rabat au Maroc. En attendant, passons, et eh bien passons à Wolf quotidien pour terminer le journal. Et eh bien, le journal au chapitre, bien, au chapitre du contrôle des prix qui échappe au gouvernement de retenir et faire retenir l'impossible mission. Pourquoi impossible mission et bien, parce que tout simplement et tout bonnement, d'après Wolf quotidien, il s'agit d'un agent, d'un agent pour 500, 500 commerces. Et là, mais là, tu donc, mais là, tu donc nga de cey àlla fu ñu jëmati bon que Dieu préserve le Sénégal dikkati naa lii bu ngeen ko gëjee dégg day bu mu leen bett tribune yéen kaay naan maan sàll ngaari lam toora ma ngay fàq fàq jëm fan xanaa diggante Zik FM ak Sen TV yéen kaay dee média bi naan maan xam nga ku jël kurpañ jëmale sa gémmiñ daa bëgg nga jaal lii nag la CNRA naral saa si tembe Zik FM ak Sen TV maanaam daal groupe des médias la ñu ne da ngeen di def propagande électorale maanaam faxas féete génn wet CNRA naan kon yéen Zik FM ak Sen TV candidat saa bu ngeen xëyee di ko roñ-roñee di ko tudd moom ngeen di xëyee moom ngeen di gontoo te loolee ci waxtu wi nga xam ne ñu ngi waajal ay élection daanaka xel sax da koo daal di nanguwul ndax yeneen candidat yi ci boppam amuñu fu ñu waxee te lee mën na leen andi gàllankoor tribune yéene kaay naan kon CNRA déglul dëgg yi seen TV mooy tele boo xam ne émission bu mu mën a am muy émission yi nga xam ne ñi leen di seetaan bari na faaw ku nekk ci Benno Bokk Yaakaar di coalition pouvoir bi daal di teew porte parole bu gouvernement bi saa boo am na émission ne moo war a mën a ñëw layal gouvernement bi woon nañ ko yéen kaay bi naan kon jaare ko seen jotaay ba ci quatre-vingt-dix minutes chrono ñi bokk ci gouvernement bi ñëpp waaye tam ñi nga xam ne ñooy kàngam ci opposition bi sàkku ko te bëgg ko woon nañu leen ñu daal di ñëw bokk ci yooyu la émission te dara man la dara duñu ko joxe rédaction des médias yi xëyee tey ab éditorial naan sikundik sikundik gi ne jommal na la yaakaaroon naa ne jommiteef goo xam ne day bàyyeekoo ci CNRA des médias tàqalikoon ak moom rédaction yi naan déet ndeke yoo CNRA màggatum jinne la mi ngi ci ci ruqam saa bu xëyee ma ngay xool nees tiitalee des médias ndeke la mu nekkoon ci daal tëj kër gi jogu ca rédaction yi naan kon li ñu am mu gàllu sunu mbagg ñu limal leen quotidien bii di tribune mësta am xaajeg seen ak boot xonte ci li nga xam ne moom lay titré barki démboo Ndiaye président Macky Sall ak Amadou Ba la titré ne président Macky Sall yónni na Amadou Ba ngir mu charmer ndaw yi ca bés boobee appel à la une ba Moussa Baldé lañ ca daal ci la nga xam ne moom mooy xibaaru turbine waaye tam ne yéene kaay bi dafay wax ci opposition bi même su dee gëm sa bopp lay waxal loolee nag ñu bëgg ko naatable ak propagande mënta nekk propagande bi kay lan moo tax CNRA waxul ci journaux yi nga xam ne dañuy titre ci ab directeur général mobilisateur bu mag jël ay moto Jakarta daal di cay def ay toni ton ngir dalal président Macky sàll ma nga xam ne bëggul woon gaa yi Sonko gi daal di koy ëpp doole ca Taliba lan moo tax waxuñu ci loolu tey jii ñu xëyee des médias ci chaîne télé yi ci réew mi yëpp daanaka des médias mooy invité amu ci xaj ak seen muy opposition muy gouvernement ñëpp lay boole ci taabalam diggante seen jotaay 90 minutes chrono ba ci toute la vérité émission yooyu ban moo ca mës a dalal njiital kër gi le mandat yéene kaay naan man CNRA day daal dinay tegu Sen TV ak Zik FM ak la tribune di leen xupp ne boo mooy tul tëj ràpp moom moo ci am laaj ba moom moo di mbaadu nag dafay déranger ñenn ñi tribune yéene kaay naan man en tout cas a tàmbali tey ji ay tournée ak open press diggante Kédougou Matam Tambacounda Kaolack ak Fatick moom Bougane Gueye Dany daal di maa ngi ñëw dal seen kaw diggante aljuma samedi ak dimanche Sud Quotidien naan man ceelluk opposition bi ci yenn yi xew ci réew mi moo ñu jaaxal lan moo tax na gaay leen neex def ñenn ci opposition bi ñu wax duñ ci àddu ña ngay andi ay coppite ci Sénat ñu ne cell ña ngay def blocage ay rapport yu corps de contrôle bi cell ña ngay caxat-caxatee règlement intérieur bu assemblée nationale cell vox populi naan maan buñ ne cell naan kon nañu bàyyi nag homme politique yi nga xam ne yaakaar lañu ci ndaw yi ñu leen di éliminer ci langu politique gi nañu bàyyi nag gor tànk gi nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku muy am ci langu politique gi nañu bàyyi képp kuy doomu Sénégal ci élection présidentielle yi ndax ak lu ñu mën a def ak loo xam ne mën nañ ko pexe it yàlla mooy fal ga xam ni moo war a jiite réew mi libération yéene kaay naan ko en tout cas mim réew day jege ñaale Ousmane Sonko jàmm dañ ko fiy dégg Colline Faye moom donte ab française la daal dinañ koy yóbbu kaso Mortala Gueye nit dof dellu na kaso Mansour Diallo gën ko xam ci sóorale révolutionnaire dafa demoon Cap Manuel seeti ay détenu ñu jàpp ma nga ñuy entendre Walf Quotidien naan kon Ousmane Sonko day dañ koy xaar fii mu fële-fële alliéem yi day Sonko wan na leen ni moom ci boppam am nab candidat L'Enquête Quotidien naan kon fi ne day Ousmane Sonko ci manœuvre la nekk jóge nañ ci gatsa gatsa gi fas yéene teg xel président Macky Sall Amadou Ba Pastef naan kon combat bi du jaay doole Mamadou Sy Albert ne Sonko jëfam gépp coowal Adji Sarr la fi mu ne nag réel politique mooy dox ci réew nii am na DG boo xam ne mission du lenn lu dul jaagar jaagar jëli ay ñooñu Ousmane Sonko yóbbu ci Amadou Ba yoor yoor yéene kaay naan kon diggante Boun Abdallah Dionne ak président Macky Sall moom sëy ba tas na 24 heures yéene kaay naan kon Mouhamed Boun Abdallah Dionne nee na nag ña nga xam ne dañ leen roccee ci man yóbbu dañoo tànn nag diggante xaalis ak Sénégal bu leen gënal ña dem daal di jëli xaalis ña des ci man dese ak ngor yéene kaay bi ba tey di ma xamal ne fi mu toll nii day candidat boo xam ne yaa gën a jege askan wi boo moytul daal élection présidentielle yi mi ngi tànk ndax nag góor jigéen jigéen mag ak ndaw léegi ñëppay déglu xibaar bëgg xam ci réew mi te ki nga xam ne nag moom la ñuy gën a dégg muy wax ci coono ak réew mi kooku day à tout moment mën na jël réew mi laas yéen kaay naan man en tout cas Anta Babacar Ngom ma ngay xam le ni violence yi nga xam ne ñi ngi koy ci soxna yi mën nañ ko dakkal ci réewum Sénégal fitna gi nga xam ne ñi ngi koy fitnaal soxna yi ci biir kër yi na dakk te war nañoo taxawal ab centre boo xam ne soxna su amuk violence ci biir këram mën na caa dem yebbi li nga xam ne moo nekk ci xolam te bal du tàkk sagar du xeeñ jël nag loi bi daal di koy appliquer ba jafe nga xam ne ñi ngi koy teg soxna yi ci réewum Sénégal booba collectivité territoriale yi day ñi ngi ami jafe-jafe laas yéen kaay naan inspecteur bu trésor ak spécialiste du finance locale Cheikh Ndiaye ma andi ak coordonnateur bu direction générale bu comptabilité publique ak trésor ma ngay xam le nag mënees organiser fiscalité ci réew mi ngir collectivité territoriale yi mën ci gis seen bu ñu acte 3 de la décentralisation mënees na caa génn fexe ba collectivité yi am koom goo xam ne ci seen gox lay di bu ko ndimbalug état dina fekk ñu ñoŋ ñàkk ndimbalug état dina fekk ñu ñoŋ ci wàllu politique Cheikh ne sama xel dal na ci tabb gi nga xam ne président Macky Sall tabb na ko Amadou Ba ndax àdduna toll na foo xam ne wutoon beneen mandat mën na indi leneen waaye ngalla bam nu tabbalee koo xam ne profil la ngir ñëpp mën a ànd ak moom 24 heures yéen kaay naan maan en tout cas booba lak de guerre day boo moytul jafe-jafe dina ko am ndax nag Frank Timis daal dinay taxawal ab société boo xam ne day tànqee daanaka la ëpp ca lak de guerre ba daal di yóbbu ci ay toolam yéen bi naan maan ay nag lañ koy dundalee yoo xam ne dañuy ratt meew ma waaye tam ay fasu course yoo xam ne daanaka borom alal daal lay daal di jëriñ laas yéen a kaay naan maan ci alal googee moom Abdou Karim Fofana ni ki démb doon nañ ko natal ab gafaam ministre du commerce daal di waxi dëggam xam le ni gouvernement gee ngi def kéemtalaay kàttanam ngir njëkk daal di wàññeeku ci rew mi ndax nag loo ci man ci déggit àdduna wërngal këpp lépp yokku daanaka benn milliard ak xaaj gouvernement gi dina ko def ngir dëwlin gi bañ a am yokkute ni ki àdduna wërngal këpp ci wàllu courant bi Abdou Karim xam le ni jëfandiku gi moo yokku askan wi li ni jëfandikoo ci courant gi ci tàngaay bi ñu jugee nag ci benn tranche daal di tàbbi ci beneen te loolee nag saa amee yokkute moom mënta ñàkk ci réew mi tribune yéen a kaay naan maan Abdou Karim Fofana ma ngay xamle ni fi mu ne yokkute bu amee urgence bi moom moo di fexe nag ba marché bi du manqué loolee vox populi naan maan en tout cas ak lu mu métti métti jàpp leen ni Abdoulaye Gaye président bu collectif sénégalais bu établissement privé de santé yi ma ngay xamle ni diplôme yi nga xam ne yenn ci infirmier sage femme ak assistant infirmier am ci réewum Sénégal day daanaka baaxul ci juróom ñeent fukk ñaar ci établissement de santé yoo xam ne dañuy jàngale faj ñeent juróom-ñett ya baaxul yéenekaay bi naan maan li baaxul day mooy li nga xam ni feeñate na ci Chine ñeenti at gannaaw bi nga xam ne Covid bàyyeekoo na fa ñoom Chine nag am na wopp ji yees joo xam ne ci wàllug nokki lay laal ak i sëqët ak yeneen ma nga bàyyeekoo ci ay xale yoo xam ne tàmbali nañ ko gis ci dëkk dëkkaat yoo xam ni ma nga nekk ci Chine te boo moytul mën naa law ci àdduna ak lu mën a mbokk yi ñu ñaan jàmm te yendoog jàmm